de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies et frères. Je voudrais d'abord, au nom du général de division Jean-Baptistine, au commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, l'exécution du mandat de la MINUSCA. Aussi, cette formation leur a-t-elle permis d'approfondir la maîtrise des matériels en dotation dans les contingents pour mieux faire face aux standards internationaux mis en œuvre par le système des Nations Unies. Officiers et sous-officiers de la scène FPU 2, voici donc bien outillés pour prendre part avec efficacité aux activités de la MINUSCA. Vos principales tâches concerneront la protection des civils la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'État, la réforme du secteur de sécurité et le soutien électoral s'il y a lieu. pourraient être aussi appelés à participer à la formation des policiers centrafricains, au maintien de l'ordre, à la sécurisation des camps déplacés, à l'escorte de convois humanitaires, à la défense de points sensibles et à la protection des cantonnements et des personnels de l'ONU. Il faudra donc, en toutes circonstances, dans l'exécution de toutes ces missions, vous conformer aux différents textes onusiens qui régissent votre engagement dans ce théâtre extérieur. Que vos actions soient toujours respectueuses des droits de l'homme et du mandat de la mission. Une fois sur il vous faut garder à l'esprit le sens de l'honneur et de l'engagement, quelle que soit la situation aussi bien dans le cadre de votre engagement opérationnel que dans le cadre de votre vie à la caserne, ou dans les cantonnements, ou tout simplement dans vos rapports avec les populations locales. Je ne doute pas un instant que vous pourrez maintenir haut le flambeau que les contingents qui vous ont procédé ont hissé à un niveau très élevé. Officiers et sous-officiers de la scène FPU 2, et toujours à l'esprit les idéaux de la gendarmerie et les valeurs qui symbolisent le drapeau qui vient d'être remis à votre commandant de contingent. Ce drapeau devra aider chacun de vous à maintenir vivace dans sa conscience l'obligation de demeurer fidèle aux idéaux de la gendarmerie et à la devise des forces armées sénégalaises. À tous les militaires du contingent, je vous dirai que chacun de vous se comporte en homme d'excellence. Travaillant avec enthousiasme, vous vous évertuerez à donner le meilleur de vous-même en parfaite solidarité avec vos camarades. Vous vous interdirez aussi de faire toutes choses que les règlements du Sénégal, du pays d'accueil et de l'Organisation des Nations Unies réprouvent. C'est à ce prix seulement que vous serez les dignes ambassadeurs du Sénégal et serait fidèle à la devise de la gendarmerie. Honneur et patrie. N'oubliez surtout pas aussi les mesures barrières de prévention édictées par toutes les différentes organisations travaillant dans le domaine de la santé, car l'efficacité de l'unité dans l'exécution des missions ne saurait être maintenue qu'avec un personnel déterminé et en bonne santé. Donc ayez toujours à l'esprit l'obligation de prévention de la COVID-19, aussi bien pour vous-même que pour vos camarades. Vous gardez et veillez sur vos familles respectives pendant votre absence au service de la communauté internationale pour le triomphe des idéaux de justice, de sécurité et de paix en Centrafrique et en Afrique. Qu'il vous accorde également un retour paisible et que la paix et la stabilité s'installent de manière durable en République centrafricaine. Je vous remercie de votre aimable attention. cette cérémonie de remise de drapeaux qui vient de se terminer marque la fin de la formation d'entraînement de déploiement pour la mission multidimensionnelle intégrée pour la civilisation de la République centrafricaine. Nous sommes le deuxième contingent dans la version FPI, sachant qu'il y a déjà eu quatre qui nous ont précédés dans la version PSU. Donc les FPI, c'est des unités de police constituées et qui ont pour tâche de soutenir les Nations Unies en protégeant d'abord les civils dans cette mission, assurer la sécurité des biens et des personnes, mais aussi du, pays hôte, le général de brigade Tchaka vient de nous rappeler. Donc, il s'agira pour nous de rester conscients et de se rappeler à tout moment de cette mission qui, pour laquelle le Sénégal s'est engagé et qui revêt pour nous un caractère très très important dans la mesure où, la première fois, que le Sénégal est engagé parce que c'est un pays contributeur et qui a une image très reluisante dans tout le monde. Charge à nous maintenant de garder ce flambeau très haut dans nos comportements, dans nos rapports avec le pays hôte, avec la population locale, parce que c'est un pays qui est en difficulté, un pays ami du Sénégal, et que nous devons même aider à sortir de cette situation. L'effectif, on est à 140 officiers et gendarmes compris. ensuite, au sein de, cette, de ce contingent, il y a une première pour la, MINUSCA. Euh, John, du commandé FPI de bi MINUSCA de Amna il y foofu jiituñu euh, république centrafricaine version bu ñu modifié mooy FPI FPI nag mooy unité de police constituée donc di delu tamit di gërëm yal ci possibilité bu ñu may di sant aussi suñu njiit yi loo commencé ci par le commandant de la gendarmerie nationale ci euh, qualité bi ñu jox be denk ñu mission bi contingent bi nak ñu ngi dem RCA pour jàppale benn dëkk boo xam ne xaritu Sénégal la mais dafa nekk ci ay jafe-jafe ñu ngi fàttali tamit contingent bi ci kàddu yi général brigade Thiaka Thiaw mission bi mooy nekk ñu aar civil yi jàppale seen armée ak seen police bi pour ñu mën a taxawaat teg ci aussi di aar biens yi alalu ak bâtiment wu Nations Unies bi mu nekk loo xam ne nag ñun njëkkewuñu ko mais dafa di loo xam ne sas la ci ñun sas boobu parce que Sénégal dafa bokk ci pays xam ne ñoo ëpp lu ñuy joxe ay soldats pour Nations Unies ci loolu nag ñun daf ñuy laaj ñu am benn taxawaay bu xam ne kenn du ko sikkal parce que Sénégal am na gis-gis bu rafet déjà te ñëpp di ko coow moo tax nag ci suñu jëflante ak population locale bi ak suñu liggéey ci bés bu nekk war nañu faire de sorte que bañ a am benn rëq-rëq donc ci loolu lañu fas yéene taxaw mais bi ñu yàlla may possibilité delluwaat ci réew mi ci xayma ñu ngi ñaar fukk ak juróom-ñeent donc ñu teg ci loo xam ne nii euh, ci biir euh, effectif boobu am na fukki jigéen muy lu njëkk ci euh, MINUSCA bi muy soog am ay jigéen donc di leen di sant nag di leen gërëm sant teewaay bi.